On va se mettre debout pour la prière maintenant. Père Céleste, nous te remercions pour ce jour. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu es un bon Dieu. Nous sommes ici pour pouvoir, pour une chose importante. Nous voulons que tu, touches notre vie, que tu transformes notre vie, nous voulons que tu écris cette parole dans, la, dans de chacun de nous. Seigneur, nous prions que nous allons marcher dans la bonne direction par la grâce de Dieu au Seigneur. Nous avons décidé, nous n'allons pas retourner derrière. Nous n'allons pas se détenir derrière. Nous n'allons pas compromettre la parole que tu nous as donnée, nous allons s'y tenir et nous allons se mettre et tenir dans cette parole droit jusqu'à la fin au nom de Jésus. En apprenant ta parole, en croyant à ta parole, en obéissant à ta parole, Seigneur, nous prions que les bénédictions qui suivent l'obéissance à ta parole nous suivent au nom de Jésus touche la vie de ton peuple. Donne toutes choses que nous, nous voulons nous voulons, quand nous marchons sur notre voie allant au ciel, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse tous. Dites la personne qui est à côté de vous que Dieu te bénisse. Dites à la personne à côté de toi que Dieu te bénisse. Nous regardons Romain 1 à ah, Romain 1 au chapitre Romain, Romain 1, 7. Romains 1, 7. Romains 1, 7. Romains 1, 7. Vous voyez ce qu'il a là-bas Romains 1, 7. Vous allez voir ce qu'il la dit. Romain 1, Romains 1, verset 7. Maintenant, il dit, Romains 1, verset 7, il à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, tous les, tous les, tous les, peuples de, de, de, Dieu, ça peut être en vie profonde, les bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, le Seigneur nous a appelés dans son, dans, il nous a appelé dans son royaume. Il nous a appelé pour lui-même. Il nous a appelé pour être sauvés. Vous allez voir ceci là tout au travers tous les, Nouveaux Testaments, dans un, dans un petit lieu dans le Nouveau Testament, que l'appel que le, Dieu, Dieu a donné à ses croyants l'appel qui l'appel qu'il a donné à toi et à moi c'est l'appel à être sauvé, l'appel à être sanctifié, l'appel à être fort, l'appel à être spirituellement euh, euh, pensif, à avoir une idée spéciale pivotée euh, et, de marcher sur la voie restrictive et être un saint et vivre une vie de sainteté. Et, il dit à tout, c'est la même chose qu'il dit, qu'il dit à toute personne, euh, qui dit à toute personne, jeune, garçon, fille, homme, euh, mère et père, soit à Rome, qui doit vivre une vie de sainteté, Ephésiens 1. Ephésiens 1, le verset 18. Ephésiens 1, le verset 18. Ephésiens 1, le verset 18 que les yeux de votre compréhension soient éclairés afin que vous puissiez connaître quelle est l'expérience de sa vocation et quelle richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Il appelle il appelle le, pécheur avec l'appel d'un sauveur et il amène ce, ce pécheur dans le royaume. Et il dit, j'étais il dit, j'étais amené dans l'héritage des saints. Chapitre 2, verset 19. Il nous dit, chapitre 2, verset 19 d'Éphésiens. Il dit, il dit, car, il, parle des gens qui sont nés de nouveau, ceux qui sont, qui leur vie entre sont, être transformé, transformé. Il dit par son intermédiaire, nous avons les uns et les autres par un seul esprit accès au Père. Si vous êtes un citoyen du royaume, Regardez la parole de Dieu qui dit, il dit, nous sommes sauvés. C'est ça qu'il dit là-bas. Hein. Chapitre 3, verset 17. 3, verset 17. 3, chapitre 17, le verset d'Éphésiens. Il dit euh, il dit pour que Christ puisse demeurer dans vos cœurs par la foi Enfin que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour. Au chapitre 1, il nous a dit que nous sommes saints. Au chapitre 2, il nous rappelle que nous sommes aussi saints. Au chapitre 3 aussi, il nous dit aussi que nous, sommes appelés à être saints. Chapitre 4, d'où 11 et 12. Chapitre 3, chapitre 4 maintenant, verset 11 et 12 d'Éphésiens. Et il a donné quelques-uns apôtres, quelques-uns apôtres et quelques-uns prophètes et quelques-uns évangélistes et quelques-uns pasteurs et enseignants pour la pour le, pour le des saints, pour le, pour, pour, pour la danse à l'église, vous voyez, il y a certains jeunes personnes, ils, ils, ils, croient que l'église c'est pour nous entretenir. Et certains de nos, de nos parents aussi, ils croient que, ils disent que, ils disent que, que, les, actuellement, euh, mais il y a certaines personnes, ils, ils disent que, il dit que nos enfants ne restent pas chez nous, euh, euh, euh, ne viennent pas à l'église parce qu'on on les entretient pas. Donc c'est ça qu'il croit. Il croit que c'est ça que nous allons faire à l'église il dit pasteur, s'il vous plaît, il faut faire notre église un lieu d'amusement, un lieu de divertissement. Il faut qu'on le soit un lieu de euh, divertissement, un lieu d'amusement. Il dit, il croit que notre église, il dit, nous sommes des pasteurs, nous devons être des pasteurs pour qu'on fasse du, on fasse du pique-nique. Il dit, il dit, a donné certains enseignants, certains apôtres, certains pasteurs, certains pour euh, l'enseignement des enseignants et certains des apôtres prophètes. Pourquoi Pour faire quoi Pour le professionnement des saints. C'est la raison pour laquelle ils appelaient. Chaque ministère dans l'Église doit avoir un but spécialisé et de faire de telle enceinte que tous les gens qui viennent à l'Église soient sauvés et transformés. Vous êtes enseignant, vous êtes enseignant, faites les gens être saints. Vous êtes un évangéliste, un évangéliste, appelle-les, appelle-les à la sainteté, à la justice et à le, au salut passe pour le professionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour édification, pour l'édification du corps du Christ. Bah, c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés chapitre 5, verset 1 maintenant. Il dit, suivez donc comme des chers enfants pas les suivants les, serviteurs de ceux qui sont désolés. pas les, les, suivants, ou bien pas les serviteurs des des des les, suivants, ou bien les disciples de Jézabel. Les, les suivants de Dieu, les disciples de Dieu. pas les disciples de Judas Iscariote sont pas, euh, pas les servants de Dimas qui a perversé le monde présent. Soyez, suivez donc comme des chers enfants et marchez dans l'amour, l'amour amour pas sympa, sympa dans le suivre et marcher de l'amour, pas dans la polygamie et marcher dans l'amour, sympa, sympa, sympa, pas s'embrassant, se, se, se, se baisant, se faisant du péché, comme Christ, dans l'amour, comme Christ aussi nous a aimé et s'est donné lui-même pour nous en une offrande et en un sacrifice à Dieu une douce et agréable fragrance. Regardons verset 3 maintenant, il dit, mais, mais, la, mais que, la, que, mais que ni fornication et ni aucune impurité ou baptise, ne soit pas même mentionné parmi vous comme il convient à des saints. ni choses immonde, ni paroles insensées, ni plaisanteries, qui ne sont pas convenables, mais plutôt de donner des remerciements. Vous pouvez voir ça dans chaque vous avez vu que dans chaque verset de il, fait mention du mot saint. Chapitre, chapitre 6, verset 18 maintenant. Chapitre 6, verset 18 d'Ephésiens. Chapitre 6, le verset 18 d'Ephésiens. Il dit encore là-bas, prions toujours tout en prière et supplication en esprit et veillons à cela avec toute persévérance et supplication pour vous les saints tellement clair et que Dieu a donné les, ses, enfants Dieu de venir être saints et aussi l'a a une commission et de prêcher la parole de Dieu et de prêcher la parole de Dieu et prêcher la parole de personnes et les conduire dans la sainteté, de la pureté et de la sagesse et c'est ce que Dieu veut dire, la justice à toutes ces personnes qui sont les serviteurs ou les disciples. C'est ça que... Il y a trois choses que nous allons considérer aujourd'hui nous, notre message aujourd'hui est intitulé Vivre, vivre comme un saint dans un monde pécheur. C'est l'appel d'un chrétien. C'est l'appel c'est l'appel de, celui qui est né de nouveau. Il veut que, il veut que nous, il veut que nous vivons comme des saints dans un monde saint. Ça veut dire que d'un monde coupable. Il veut que nous vivons, numéro un la conversion des, des pécheurs à Christ. Numéro deux maintenant, la consécration, la consécration des saints en, au Seigneur. Les cinq, un saint qui, s'est dévoué au Seigneur, qui, qui, s'est dédié, euh, pour Dieu, qui est soumis au Seigneur qui s'est euh, donné complètement à, Dieu, et s'est rendu donné complètement à Dieu et il s'est abandonné offert pour dans la main de Dieu la consécration des saints au Seigneur point numéro 3 maintenant la conservation la conservation de la sanctification au travers Christ la conservation, la conservation de sanctification. Il nous a sauvé Il nous a sanctifiés. Mais la sanctification ne, sera pas une chose du passé. La piété et la sainteté ne sera pas une chose du passé. La sanctification d'être préservée doit être préservée. Ça doit être conservé. Ça doit être d'être tenu en une grande faveur. Sanctification doit être dans la vie de toute personne qui se tient jusqu'à la fin. La conservation de sanctification à travers sa parole. Numéro 1 maintenant, la, conversion, la conversion des pécheurs à Christ la conversion est tellement importante. Quand on évangélise, en prêchant la parole de Dieu, sans pas seulement venir à l'église, venir à l'église, il y a un changement qui vient sur les gens. Il y a un détour, il y a un changement qui vient sur ces gens-là. Et nous-mêmes qui prêchons ces paroles-là, nous devons aussi avoir, nous devons avoir un esprit défini d'être né de nouveau. Psaume 51, Psaume 51, verset 7. et si c'est David qui prie pour être sauvé, pour être lavé. Il dit lave-moi, lave-moi, purifie-moi, fais-moi saint, rends-moi sain Verset, ah, regardons verset 8 maintenant. Il dit, regardez ce qu'il dit après chapitre, euh, pour son, euh, verset 51, verset, 51, verset 7 et 8, il dit, purge-moi avec les soupes et je serai net, Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, afin que les eaux que tu as brisées puissent se réjouir. C'est un vrai salut. Ça, c'est un vrai, c'est la vraie restauration. Et crée en moi un cœur net, un cœur net, au Dieu, et renouvelle à moi un esprit droit. ne me rejette pas loin de ta présence et, ne, ne me ôte pas ton Esprit Saint. Ah, restitue à moi la joie de ton salut. Vous voyez, il y a certaines personnes qui nous disent que, que quand quelqu'un fait un péché, quand il fait un péché, quand quelqu'un pêche, il n'y a rien, c'est seulement qu'il perd, il perd seulement la joie d'un Christ. C'est ça seulement que la personne perd. Il dit que tu es sauvé, tu es pour toujours. Une fois que tu es sauvé, tu es pour toujours. Quand tu perds, c'est seulement ce que tu perds, c'est seulement la joie. Vous n'avez pas lu d'autres versets tu n'as pas vu que tu n'as pas vu qu'on dit ne me rejette pas loin de ta présence, n'a pas vu ça là-bas. Hein? Et il dit ne monte pas ton esprit saint. Il était là, il se sentait coupable et la condamnation en lui. Le péché a donné une séparation entre lui et Dieu. Il savait qu'il n'est plus encore en relation, en intimité avec Dieu. Il dit Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, ne me rejette pas, ne me rejette pas de loin de ta présence et meurtre pas ton esprit. Je ne veux pas être loin de toi. Et il dit maintenant, restitue à moi la joie de ton salut et soutiens-moi avec ton esprit de liberté et liberté. Regardez verset 13 maintenant. Il dit, alors j'enseignerai tes chemins aux, transgress, transgresseurs, un, pécheur, un retrograde n'a pas la voix, la bouche pour pouvoir prêcher aux autres pour la repentance. Un pécheur n'a pas la qualification, n'a pas qualifié, n'a pas le droit pour dire je travaille pour Dieu, je prêche la parole de Dieu, je prêche l'évangile. Le prêtre, il dit, maintenant, Seigneur, restaure-moi d'abord. Après ça, je vais quoi Enseigner le chemin. Ensuite, j'enseignerai tes voies, tes chemins, tes voies aux transgresseurs. Ces personnes qui, ces personnes qui perdent leur temps, ils vivent dans le péché. Ces personnes, ils vivent dans le malin. Ces personnes, ils vivent dans, dans, la, ils, ne, vivent pas dans la droiture là et ils sont là ils disent qu'ils prêchent la parole de Dieu et ces personnes là sont dans vos, je parle de je parle de, des personnes qui sont dans vos églises, dans vos districts, dans vos districts là-bas, dans vos localités là-bas, qui sont là, ils prêchent la parole de Dieu. Ils disent, ils peuvent, ils sélectionner la, la passage de la Bible, ils peuvent parler de la parole de Dieu dans la, dans la parole, ils peuvent dire, ils peuvent dire, ils peuvent parler de la parole de Dieu il peut dire tout ce qu'il veut faire. Il peut dire cela parler de la parole de prêcher bien. Il perd seulement leur temps. Mais David a, David a dit, aide-moi, aide-moi, retourne-moi d'abord. Euh, avant que je fasse ça, est venu pour prêcher la parole de Il dit, toi tu sais, et toi vas-y faire ça, tu sais comment le faire. Vas-y et être un, vas-y être un chanteur, vas-y aussi faire être, tu peux jouer ceci là, va jouer ça. Toi tu sais, va faire ceci. Et si tu un Nathan qui dit va faire ceci, va faire ceci, va ceci, tu ne connais pas ma position, je veux le salut de Dieu, je veux la restauration, après cela maintenant, tu peux maintenant venir et tu vas enseigner les transgressions et les pécheurs vont se retourner de leurs péchés après que moi-même je me suis retourné, je me suis euh, converti avec Dieu. Si vous luttez contre toi, toi, femme et mari, euh, mari et femme, vous êtes un enfant, un jeune enfant, vous vous, vous, et maintenant, toi, jeune homme, vous commettez la fornication, vous faites la suie, vous faites ce qui est mauvais, et vous êtes là, vous dites que vous prêchez, vous prêchez, je pour Dieu. Vous travaillez pour qui C'est pour le diable, c'est ne prend pas ce, Dieu ne prend pas ceci-là. David a dit, Seigneur, restaure-moi en peur que je puisse avoir ta voix, pour que je puisse maintenant enseigner ou transgresser ton chemin. Si vous continuez comme ça, et vous, et vous vous moquez vous-même, et vous, vous vivez dans le péché, vous, vous, vous dans le péché, vous continuez à travailler, vous êtes dans le péché, vous continuez à chanter, vous êtes dans le péché, vous continuez à travailler dans l'église, vous vous moquez de vous, même vous vous trompez soi-même. Parce que si la trompette, si vous mourrez comme ça, si vous mourrez comme, vous comme ça, ou bien la trompette vient et tu n'es pas repenti, tu vas aller en enfer. N'importe qui peut venir avant l'enterrement. Tu vas en enfer. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3, le verset 19. Et repends-toi, repends-toi, repends-toi et dit, eh, verset 19, il dit, repentez-vous, donc, et soyez convertis. Tu n'es pas appelé seulement à une seule religion, religion. Ce n'est pas église, église, religion. Tu es appelé, tu es appelé à la repentance, à la conversion. repente toi et repentez-vous donc, et soyez convertis afin que vos péchés puissent être effacés lorsque, pour que le moment, quand le arrive, euh, pour que votre, efficacité lorsqu'il est venu le personne. Verset le verset 26. Regarde le verset 26. Il dit quoi À vous, premièrement, Dieu ayant ressuscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. voyez ça là Il veut, que, il veut un changement de notre vie. Quand tu es né de nouveau, quand tu es devenu une nouvelle créature en Christ maintenant, toutes choses, les choses anciennes sont passées toutes choses deviennent nouvelles. Et Éphésiens 5. Ephésiens 5, verset 5. Ephésiens 5, le verset 5. Car, car vous savez ceci. Car, car vous savez ceci. Qui, qui ne, euh, car vous savez ceci. Euh, <coughs> car vous savez ceci que ni ni personne ni qui, homme converti, qui est un, idolâtre, ni un mensongère, ni un voleur, n'a aucun héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. <coughs> Le verset 6, il dit, Le verset dit qu'aucun homme ne vous trompe par la vaine parole, car à vous de ces choses, le courroux de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Verset ben, 8 maintenant, il dit car vous étiez, car vous étiez, ça c'est le passé. Il parle de passé, ça c'est le faire au passé, car vous étiez parfois dans l'obscurité, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est qui est important maintenant, c'est vrai cela. Verset 9, il dit, verset 9, il dit, car le fruit de l'esprit est l'esprit de l'esprit est en toute bonté et de droiture en vérité le, fruit de l'esprit est en toute bonté et droiture et vérité. Il n'y a pas de mensonge là-bas. Il n'y a pas de, de ou il n'y a pas de, il n'y a pas de, d'entournement. il y a droiture, il y a la vérité, il y a la justice, la vérité. Et maintenant, verset 16 dit, éprouvant ce qui est acceptable au Seigneur. Et, verset euh, et n'ayez maintenant et n'ayez aucune association avec les œuvres infructueuses et l'obscurité, mais plutôt désapprouvez les, désapprouvez les Colossiens. Colossiens 3, verset, le verset, 5. 3, le verset 5. Regardez ce que le Seigneur nous rappelle ici. Il dit, il donc vos membres, lesquels sont sur la terre faut, faut, faut, pas seulement mettre ça, il faut détruire ça. Faut pas seulement euh, euh, ramasser ça, il faut tuer ça. Il faut faire ça mourir. Il faut mortifier ça, mortifier, mortifier donc vos membres qui sont sur la terre. La fornication, il faut, faut tuer ça. La suie, l'impurité, qu'il faut le tuer. L'affection demeurée, démesurée, il faut tuer ça. Mauvaise, mauvaise conscience avoir, avoir, avoir un désir à une femme qui n'est pas votre femme, de se désirer une femme qui n'est pas le vôtre, avoir, avoir, avoir l'amour, avoir l'amour, ça peut être que vous n'avez pas, vous ne l'avez pas touché, mais vous avez l'affection. C'est que vous, quand vous avez quelque chose, quand vous voulez quelque chose, vous cherchez. Quand vous, si vous ne l'avez pas appelé, si vous ne l'avez pas toqué, si vous n'avez pas parlé avec elle, ça peut être que, ça peut, vous n'êtes même, c'est, c'est, sortir là-bas. Ça peut être que tu n'as même pas, ça que tu n'as même pas parlé avec ta femme. Mais chaque moment quand tu écoutes, quand chaque moment quand tu es là, tu sur le matin. Si tu n'as pas parlé avec cette sœur là, tu n'es pas, tu n'es pas libre, tu n'es pas libre. Tu l'appelles sœur, tu là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu as une affection, un désir intense contre cette sœur là qui n'est pas ta femme. C'est vrai, c'est ça qui est, ça veut dire que tu es en train de commettre ce qui est mauvais. Hein. C'est ça qui est mauvais, ça veut dire que tu es en train de faire le péché. Une femme, ça peut être qu'une femme une femme qui n'est pas mariée. Regardez par exemple à une, une femme qui n'est pas mariée. Une femme qui n'est pas qui est, qui est mariée, une femme qui est mariée mais qui n'est pas mariée mais elle a un frère quelque part. Un le frère il dit mon frère comment ça va, il l'appelle chaque moment. Il est sincère, il l'appelle pour moi pour pouvoir entendre. Je vais brother, je vais euh, euh, frère, je vais entendre seulement ta voix. C'est une mauvaise association, c'est une mauvaise euh, ordination. C'est qui est mauvais et des mauvaises constitutions et concupiscence et convoitise, qui est idolâtré. Et verset 6, il dit à cause, c'est à cause de ces choses que le courroux de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Mais maintenant, maintenant, il dit maintenant, lesquels vous aussi avez marché autrefois lorsque vous viviez en elle. Verset 8, maintenant, vous rejetez aussi toutes celles-ci, la colère, le courroux. Et il continue à dire ici, il dit le coup, il dit le la malice. Malice, le malice, la malice. Tenant quelque chose contre ton frère, euh, la euh, réaction avec quelque chose qui est dans ton cœur. Ça peut être, ça peut être un, un, un, un, croyant, un, croyant, un croyant qui a quelque chose, un chagrin, un problème, quelque chose dans son cœur contre son contre quelqu'un d'autre. c'est ce qui est mauvais. Ça, c'est la malice. Personne, la personne ne sait même pas. C'est la malice. Il a quelque chose contre lui. Il a quelque chose dans son cœur contre son prochain. Autour de lui ou bien son voisin dans la maison, n'importe et ça mettez, mettez, rejetez aussi toutes celles-ci. Colère, colère, colère, courroux, malice, blasphème. Hors de votre bouche. Mettez ça à l'écart et maintenant la conversation répugnante. Eh c'est quoi une conversation répugnante quand quelqu'un, quand, un homme, quand un homme en présence des femmes parle des choses suées, des choses mauvaises, des choses suées, suées, très suées, en présence une, femme d'opprobre, une femme honteuse qui est parmi les hommes, elle commence à mentionner des parties humaines, des parties humaines entre parmi les hommes. ça c'est sué, c'est sué tellement sué. Il mentionne des choses suées parmi les parties des hommes. et maintenant, il y a aussi quoi? C'est la, la conversation répugnante sortant de vos bouches. Et il continue à dire maintenant, il dit ne mentez l'un, ne mentez pas l'un à l'autre. Pourquoi Puisque vous avez rejeté le vieil homme ainsi que ses actions. Et maintenant, vous avez revêtu quoi Le nouveau homme, lequel est, est, euh, lequel est renouvelé en connaissance, d'après l'image de celui qui l'a créé. Ça, c'est la conversion. Ça, c'est la conversion d'un pécheur à, à, un saint en Christ. C'est ça, ça qu'on appelle la conversion. Et quand vous venez au Seigneur maintenant, étant de nouveau, étant juste, étant converti, la vie tourne, la vie change. Et maintenant, vous vivez une vie, une vie d'un saint de Dieu. Et c'est ça qui nous amène au point numéro 2 maintenant, la consécration, la consécration des saints au Seigneur. Point numéro 2, la consécration des saints au Seigneur. Il veut qu'on soit consacré à lui. Et c'est ce, que, ce que nous connaissons concernant la christianité. Ce que on, tu te donnes complètement au Seigneur, complètement, tu te rends seulement tu te soumets complètement au Seigneur et tu développes, tu, tu, tu, désignes, tu décides de donner ta vie complètement au Seigneur. Ce n'est pas, pas, que tu donnes quelque chose au Seigneur et tu caches. Quand tu donnes quelque chose, quand tu, donnes quelque chose au Seigneur et tu attaches une corde contre ça, quand tu n'es pas content, tu le retrouves, tu le, rattrapes, tu le ou bien tu le, tu le reprends. Chaque moment qu'il y a quelqu'un chaque moment qu'il y a un, petit problème, chaque moment a un petit problème apparemment entre toi, ton frère, ta femme, ta soeur, ou bien ton frère, ou bien ton, bien ton pasteur, ou bien c'est ta femme, c'est ton mari, et maintenant que c'est un moment que vous avez ça, tu retrouves ça. Ça, c'est pas, ça, c'est pas, pas la consécration, mais quand vous donnez quelque chose au Seigneur, et vous, vous donné complètement votre son tu t'abandonnes au Seigneur, tu te, donnes à Seigneur, tu te donnes complètement au Seigneur, tu, le mets au sentier du sacrifice et tu dis Seigneur, jamais, je ne vais jamais le retrancher, je ne vais jamais le reprendre. C'est sans ces gens-là que Dieu espère de les, servir. Somme, Somme 50, verset 5. Somme 50, verset somme. Somme 50, verset 5. Somme 50. Psaume 50, verset 5. Somme 50, verset 5. Il dit, dit, voici, je suis fermé dans le nez. Il dit, tu, il dit, il dit, rassemble mes saints, Rassemble mes saints à moi-même il veut avoir une alliance, il veut avoir une alliance avec moi, avec les enfants, avec les enfants de Dieu, non pas les pécheurs. Il veut montrer, il veut montrer son amour, il veut montrer son amour, plus de son amour à toutes les personnes qui sont. Il veut montrer son amour aux saints, non pas aux pécheurs, ce qu'il veut faire. Il rassemble mes saints à moi-même ceux qui, ceux qui ont, ceux qui ont fait, ceux qui font, ceux qui ont fait une alliance avec moi par leur sacrifice. Ils font, ils font des sacrifices, ils font des sacrifices, ils font des sacrifices en, euh, en alliance avec moi dans leur, dans leur travail. Romains 12. Romains 12, 1 et 2. Romains 12, Romains 12, verset 1 et 2 il, dit, je vous implore, fleur et donc pas dans la miséricorde de Dieu. Que vous présentez, que vous vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint, non seulement que tu présentes non seulement ton esprit, non seulement ta pensée, non seulement ton âme, que tu présentes ton corps à Dieu un sacrifice vivant. Je homme, écoutez-moi ici. Vous savez, certains moments, quand si, si tu ne parles pas, si tu ne penses pas bien, tu vas penser que tu vas penser que euh, c'est parce que je suis parti au collège, parce que je suis à l'université. Et maintenant, vous voyez, euh, voyez un homme, vous voyez un, vous voyez, vous voyez une femme de 80 ans, un homme de 80 ans. Ah, une autre personne de, 17, 17 ans, 17 ans à l'université ou bien 17 ans là-bas. Vous voyez une personne de 17 ans, une fille de 17 ans, un garçon de 17 ans, il est là-bas à l'université, il porte de n'importe quoi, il porte il dit que je suis né de nouveau, je suis de nouveau, mais il porte de quoi, il ne n'importe quoi. Et vous le voyez, il dit je suis né de nouveau, moi je suis né de nouveau, il dit ah bon, parce que moi aussi je suis parti à l'université. Et tu, reviens à la maison maintenant, tu reviens à la maison, ton père te voit. Ton père qui est né de nouveau avant que toi, tu ne, avant que tu, tu ne viennes de ce monde. Et nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes dans, à l'église ici, nous parlons, on dit que, nous, on te dit que, on te dit que toi, nous aussi, nous qui vous parlons de la sainteté, nous aussi, on a été dans cette université. Nous, on a vécu là-bas aussi, on sommes même des professeurs, on a été des professeurs là-bas. Avant que toi, tu ne nais. Et maintenant, parce que je, parce que je vois maintenant, parce que je, est-ce que tu as vu un euh, un jeune homme, une, un jeune homme, une, une jeune fille qui est à l'école, euh, à l'université là-bas, elle me dit n'importe quoi sur ses yeux, elle me dit n'importe quoi sur ses fesses, elle me dit n'importe quoi sur son corps, elle dit n'importe quoi, elle fait n'importe quoi, et tu es là, tu dis que, oh, parce que j'ai vu ceci, parce que j'ai vu ceci, parce que j'ai vu ceci, parce que j'ai vu ceci, je ne peux pas me tenir droit dans le sentier. Non, nous, on a vu, on était là-bas, mais comme on a pu persévérer. Toi tu peux persévérer au nom de Jésus. Tu peux te persévérer. Tiens et tiens droit. Tu vas persévérer jusqu'à la fin. Il n'y a rien à détourner. Mon frère, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu es en train de lire, mon ami Qu'est-ce que tu es en train de lire que moi, je n'ai pas lu Quelle école collège as-tu été que nous n'avons pas été à parce que tu, dis que moi je suis étudiant, moi je suis collégien, moi je suis, je oh, Est-ce que c'est parce que tu as été à l'école, tu es maintenant au collège ou bien étudiant que tu vas maintenant traverser la Bible, tu vas désobéir la Bible Paul, l'apôtre Paul a, qui a Paul, l'apôtre, Paul l'apôtre Paul, l'apôtre Paul qui a écrit cette Bible, est-ce que lui n'a pas été à l'école Est-ce qu'il n'a pas allé au collège Est-ce qu'il n'a pas allé au collège Est-ce qu'il n'a pas été à l'école Est-ce qu'il n'a pas étudié plus que toi avec tout, avec toute l'éducation qu'il a eu avec toute l'éducation qu'il a eu il a dit que je vous implore donc, frère, par la miséricorde de Dieu, que vous présentez vos corps comme un sacrifice vivant. un sacrifice vivant, c'est comme ça. Est-ce qu'il n'a pas été le corps plus que vous Est-ce qu'il n'a pas étudié Il est plus éduqué. éduqué et maintenant il dit quoi Saint, saint, saint, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Et maintenant, il continue dans le verset 2, il dit, et ne soyez pas conformes à ce monde, mais, mais, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Pour vraiment servir le Seigneur, pour accepter, servir Dieu acceptablement, il faut mourir au soir, de mourir au soir. Une fois que tu exaltes le soir au-dessus de Dieu, tu exaltes le soir au-dessus de la parole de Dieu. Tu exaltes et tu maintenant, tu, deviens un idole pour toi. Et maintenant, ce soir-là, ce soir-là est vivant et il te contrôle. Tu ne peux pas servir Dieu maintenant les gens qui servent Dieu, les gens qui servent Dieu, c'est eux qui, qui reconnaissent que le soi doit mourir à moi, le soi doit être détruit dans le, à moi. Et tu te consacres complètement, entièrement, complètement à Dieu. Jean verset 12. Jean, Jean verset 12, le Jean chapitre, Jean verset 12, chapitre 24. Jean Jean chapitre 12, le verset 24. Jean chapitre 12, le verset 24. Il dit là-bas, il dit, c'est ça qu'il dit maintenant là-bas, lisons 12, verset 24, il dit, en vérité, en vérité, je vous dis, à moins qu'un grain de, blé tombe dans la terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est ce la raison pour laquelle le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Romains 14 maintenant. Romains 14, Romains, 14, le verset 7 et 8. Romains 14, le verset 7 et 8, maintenant là-bas. Le verset, 7, il nous dit quelque chose. Il nous dit quelque le verset 7, il dit, car aucun de vous ne vit pour lui-même. Aucun de vous ne vit pour lui-même. Aucun, de nous ne vit pour lui-même. Il y a les gens, il y a certaines personnes, ils pensent tout du soir des moi et dit ce que je veux, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Il veut que toutes choses concourent à eux, à leur bien, concourent à leur bien, à leur volonté, à ce qu'ils veulent. Toutes choses, toutes choses doivent aller comme ils le veulent. Ils ne comprennent pas ce qu'est ils ne comprennent pas, ils, ne comprennent pas la signification du, du, de la consécration. Euh, si quelque chose, ne marche pas selon leur volonté, alors ils doivent menacer ça. Alors, tu n'es pas consacré au Seigneur. Tu, n'exaltes pas, Dieu au-dessus de toute chose tu ne tu pas, tu ne tu ne te soumets pas au Dieu maintenant. Est-ce que tu es en train de faire la compétition avec Jésus que tu dois adorer Tu es en train de faire la compétition avec le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu veux être adoré Tu veux être, tu veux être euh, loué tu es en train de tu fais la compétition avec Dieu. Est-ce que tu veux qu'on qu'on t'adore aussi On veut adorer. On, on veut adorer, on veut obéir la parole de Dieu. Tu veux qu'on tombe, t'obéit aussi on veut mettre, on veut mettre Christ au, euh, sur le trône comme roi des rois, roi des rois, roi des rois, chef des chefs, le, seigneur des seigneurs. Tu veux qu'on te fasse comme ça, on dit oui maman, oui maman, oui papa, oui papa, oui papa. Tu vas servir le Seigneur. Toute, toute chose concernant le soi doit être enterrée. Tu ne, on ne cherche pas la reconnaissance tu ne cherches pas, tu ne cherches pas l'adoration de personnes. Tu ne cherches l'adoration de personnes. Tu veux que Jésus-Christ soit le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Roi. Tu veux, tu veux, que sa parole soit numéro un dans l'église vivante de Dieu. Tu veux que tu veux t'adorer, tu veux te baisser, tu veux donner honneur à Seigneur, au Jésus, christ seul. Tu veux, tu veux tu veux permettre, tu veux mettre Seigneur, oh, tu veux mettre à Dieu et lui seul de contrôler son Église et de guider son Église lui-même. Parce que aucune, il dit, il dit quoi Et maintenant, il dit aucun homme. Pourquoi Parce que aucun, homme ne meurt pour lui-même. parce que aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun homme ne meurt pour lui-même car soit que nous vivons, nous vivons au Seigneur. Et soit que nous mourions, nous mourions au Seigneur. Soit donc que nous vivions, euh, soit donc que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Je viens au point numéro 3 maintenant. La conservation, la conservation, la conservation de la sanctification à travers sa parole il y a beaucoup d'églises qui ont commencé bien. Je n'ai pas besoin de vous les rappeler. Les églises ont commencé par, William Booth et Christian Booth. Les églises ont commencé par John, West, John, John, Wesley, John Wesley, le prédicateur de sainteté. Hein, l'Église a commencé par euh, matin euh, le matin Luther qui a dit que qui a dit quand bien même qu'il y a beaucoup de démons, des sorciers, des puissantes, des démons comme des étoiles là-bas, voici là où je me tiens, je ne vais jamais me prosterner devant eux pour l'adorer. Je, je vais adorer seulement Dieu. Les églises ont commencé par Charles Tiffany. Les églises ont commencé. Les églises qui sont, les églises sont tenues sur la sanctification et la vérité et la droiture de Dieu Maintenant, la question est que où est ces églises concernant la en relation de la sainteté, en relation de la sanctification, en relation de la pureté, en relation de la sanctification. Le Seigneur veut que qu'on conserve, qu'on conserve l'enseignement, non seulement non seulement l'enseignement, non seulement la sainteté, non seulement la sanctification, qu'on conserve la vérité, la vie, c'est la, vérité, la droiture, la parole de Dieu qui fait enseigner et la sainteté, la vérité qui fait enseigner ici. Non, qui, quelqu'un, n'importe qui, quiconque, quiconque ne croit pas à la sanctification de tout son cœur, quiconque, n'importe qui ne donne pas à la vie pratique, à la vie pratique euh, une, à une obéissance, à qui ne donne pas obéissance pratique à la sanctification, à la sainteté, à la pureté du cœur, dans le vrai sens, n'est pas cette personne-là, cette personne-là, cette personne n'est pas membre de la, du Christ de l'Église de la vie profonde. Ça cette personne peut être un, un, un, un, membre, il peut être un ouvrier, il peut être l'enfant d'un pasteur, il peut être la femme d'un pasteur, il peut être pasteur lui-même. Cette, cette personne-là peut être là-bas chaque moment, n'importe qui, qui ne croit pas. Je ne dis pas que la personne est en train en train d'expérimenter ça. Tu ne crois pas ça tu n'acceptes pas ça. Tu ne cherches même pas ça. Tu ne cherches même pas ça. Tu ne, tu n'as pas, tu ne veux pas ça. Tu ne te consacres pas à ça. Tu n'encourages pas d'autres personnes pour être, quel que soit saint, être sauvé, être sanctifié. Tu peux être, tu peux être un national, personne au National hein. Tu peux être, euh, tu peux être un grand pasteur Tu peux être, qui, tu peux être un grand pasteur. Tu peux être n'importe quoi, un grand titre de pasteur dans cette église. Quelqu'un t'a amené. C'est la même chose que tu dois aussi retourner. C'est la même chose. que Tu ne fais pas partir parmi nous. Ça, c'est la fondation de l'église. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Il y a, beaucoup d'églises dehors là-bas, il y a beaucoup de temps d'églises dehors là-bas. Mais, mais une église qui est prête à être enlevée, une église droite, une église qui, qui que Jésus-Christ, Christ viendra pour prendre et amener au ciel. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a ressuscité l'église de la vie profonde. Si tu n'as pas connu ça avant et tu t'es précipité pour venir ici, tu peux maintenant se précipiter aussi, retourner et sortir hors de cette église. On ne cherche pas qui, on ne cherche pas à qui va venir et nous rejoindre dans cette église ici. Quelqu'un qui va dire que je suis là-bas, quelqu'un qui dira que je suis ici. On veut préparer les gens pour le ciel. Et sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que vous compreniez ceci. Dans ta maison privée ou là où tu es, dans ta vie, dans ta compagnie privée, au travail, que tu es privé, si tu ne vis pas une vie au-dessus, au-dessus de, du péché, au-dessus du péché, dans la sainteté, la vérité, quand bien même, si même quelqu'un vous appelle frère, frère, soeur, frère, soeur, quelqu'un t'appelle frère, soeur, frère, soeur, toi-même, tu sais que dans ton cœur, que tu ne fais pas partie de, parmi, tu ne fais pas partie de cette église ici. On peut te donner n'importe quel type de respect. On peut on peut t'élever. Il peut parler de toi. Ça, ça, cette reconnaissance ne, ne, ne, ne vaut rien ici. Est-ce que tu sais que tu peux dire, tu, peux dire, tu, peux, tu vas dire, est-ce que tu sais que je suis le plus proche, je suis tellement aimé, je suis plus proche, je suis tellement reconnu, je suis l'amitié du passé, du, du, passé, du général, c'est que je suis ici, c'est qu'on me connaît bien, n'importe où, tu peux être n'importe où, tu n'es pas reconnu, tu n'es pas parmi, tu n'es pas parmi de cette, tu n'es pas, tu ne fais pas part de cette église. Le Seigneur, le Seigneur t'appelle aujourd'hui de venir à la consécration à travers sa parole. C'est ça qu'il te dit dans deuxième dans deuxième Timothée dans deuxième Timothée deuxième Timothée 2 deuxième Timothée 2 le verset 19 deuxième Timothée deuxième Timothée 2 le verset 19 il dit là-bas que néanmoins néanmoins le fondement de Dieu se maintient avec assurance ayant ce sceau le Seigneur connaît ceux qui sont les siens et Quiconque mentionne le nom de Jésus, qu'il se détourne de l'iniquité. Mais il continue, dans, il continue dans, le verset 20, il dit, mais dans une grande maison, il n'y a pas de seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et que quelques-uns a honoré et quelques-uns ont quelques-uns au ça veut qu'il continue 21 maintenant. Il dit si un homme, si un homme, ça veut dire aussi si une femme aussi. Si un homme, si un homme, ça veut dire si une femme aussi. Si un homme donc se purge lui-même de celui-ci, il sera un vase à honneur, sanctifié et propre au service de son maître et préparé à toute bonne œuvre. Hébreu 12. Hébreu 12, 14. Hébreu 12, le verset 14. Hébreu 12, le verset 14. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Il dit poursuivez la paix avec tous, avec tous les hommes, et la sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. Il faut le conserver, il faut le préserver. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Poursuivez la paix avec tous les hommes. Poursuivez la paix avec tous les hommes. Et la sainteté. Si vous faites, vous vous moquez de la sainteté, ça veut dire que vous ne faites pas part de nous. Vous n'êtes pas parmi nous. Si vous êtes, si vous marchez, vous piétinez la sainteté, ça veut dire que vous n'êtes pas, vous ne faites pas part de nous. Vous n'êtes pas parmi nous. si nous, on, se détruit, nous, on se détruit, on se on se défend pour pouvoir prêcher aux gens, pour que les gens viennent à la Christ, à la sainteté, les gens viennent à la sainteté, la pureté. Et toi, tu détournes beaucoup de personnes. Toi, tu es en train de retirer les gens, tu es en train de retarder les gens, tu es en train de retarder beaucoup de personnes à n'est pas se repentir, à ne pas venir la sainteté. Et tu n'es pas parmi nous. Après que nous avons expliqué, après que nous avons donné d'emphasis, après que nous avons prêché, euh, prêché la parole de Dieu, enseigné, dans la parole de Dieu au Dieu. Et tu dis, oh, toi, tu es là, tu dis, oh, moi, je m'en fous, il oh, il n'a qu'à prêcher rapidement, on va là, on va aller à la maison. Il dit poursuivez, poursuivez la paix avec tous et la sainteté dans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ce qui est très important ici. Et maintenant, et il continue, il dit, il veillant, veillant assidûment de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu Regardez, nous voici ici encore, voici encore, c'est de peur que quelqu'un de la racine d'amertume en jaillissant ne vous trouble et se fait beaucoup de soi suyer. C'est ce qu'il dit ici. De peur qu'il n'y ait quelque fornicateur ou une, une personne profane comme Esaïe qui, pour peu de nourriture, vendit son droit d'aînesse. Voyez ceci là ici il dit quoi De peur qu'il n'y ait quelqu'un de fornicateur, quelqu'un de fornicateur, euh, une pauvre personne profane, comme Esaïe qui, pour un peu de, nourriture, bandit son droit de naissance. Verset 17, il dit Car vous savez, car, vous savez, car vous, car vous sachez, vous savez comment, car vous savez comment après lorsqu'il vous été de bénédiction le Seigneur, le Seigneur, veut que euh, tu, viennes maintenant au Seigneur, tu viennes à lui pendant qu'il est temps. Si tu es un pécheur, euh, appelle le Seigneur, le nom du Seigneur, sois sauvé. Si tu es un croyant, si tu es un croyant, mais tu as retrogradé, appelle le nom du Seigneur et sois restauré maintenant. Si tu, es, si tu es sauvé, si tu es sauvé et tu es là, tu es sauvé, tu es sanctifié, euh, tu es sauvé maintenant, Appelle le nom du Seigneur, cherche le Seigneur à être sanctifié. Si Dieu l'avait pu faire le sang de Jésus, et amène, la sainteté, amène la sainteté. Si la sainteté après, après la prospérité, après la prière, après la femme, après la mari, après les enfants, après l'héritage, après avoir construit une maison, si la sainteté est partie loin de toi maintenant, et de poursuivez, poursuivais tout. Poursuivez la sainteté avec tous, la sainteté poursuivez la paix avec tous, la sainteté chacun, personne ne verra le Seigneur. Décide aujourd'hui maintenant, tu ne vas pas le tourner, je ne vais pas le couler. Où es-tu maintenant Je ne vais pas reculer. Où es-tu Je ne vais pas reculer. Tu ne vas pas reculer au nom de Jésus. Somme 111. Somme 111, vers, 111, Somme 119, verset 30. Somme 119, verset 30. Moi, j'ai, moi, j'ai, j'ai choisi la, bonne voie. Moi, j'ai choisi la bonne voie. J'ai choisi le chemin de vérité. Fais décide maintenant. Le vent peut souffler. Euh, la mer peut avoir des vagues. Le Satan peut se revenger. Ça, ça, ça ma décision. Je ne vais pas reculer. Moi, je ne vais pas reculer. Je dis, moi, je ne vais pas reculer. Psaume, psaume 57. Psaume 57, verset 7. Psaume 57, verset 7. Psaume 57, verset 7. Il dit, mon cœur est stable. Oh Dieu, mon cœur est stable. Mon cœur est stable. Oh Dieu, mon cœur est stable. Psaume, psaume, 100, psaume 108. Psaume 108, verset 1. Il dit, il dit, oh mon Dieu, oh mon, oh Dieu, mon cœur est stable. Oh Dieu, mon cœur est stable. Psaume 112, verset 7. Psaume 112, le verset 7. Il dit là-bas, il dit, il dit, tu ne seras pas effrayé par les mauvaises nouvelles. Son cœur est stable, se confiant dans le Seigneur. Il ne sera pas effrayé pas de mauvaise Il ne son cœur, son est stable, se confiant dans le Seigneur. Ça, c'est la décision que le Seigneur veut que nous prenions aujourd'hui. Et tu vas dire au Seigneur, maintenant je dédie, je dédie, je le dédie moi-même à toi. Je me le donne à toi. Je me le dis à toi. tu, es la seule personne importante dans ma vie. Je donne mon cœur, ma volonté à toi, tout ce que j'ai à toi. Le, salut, je vais le tenir et le mettre droit jusqu'à la fin. La justice, je vais le tenir jusqu'à la fin. Sa sanctification, la sanctification, la sainteté, je le tiendrai jusqu'à la fin. Je vais tenir ferme. Je ne vais pas être un, un retrograde. Je vais rester un saint. Je vais rester saint dans le, public, dans le public et dans le privé transparentement saint. Et toi, tu seras le premier, tu seras le numéro un dans ma vie. Somme, 13. 73. Somme 73, 25. Somme 13, 25. Somme 13, verset 25. Somme 13, verset 25. Il dit, Qui ai-je, au Seigneur, au ciel, sinon toi Il n'y a personne sur terre que je désire par toi, que il dit, il n'y a aucune personne sur la terre que je désire à part toi. Dieu sera le premier. Mon salut numéro un. Ma sanctification numéro un. Le ticket, le ticket qui va m'amener au ciel, je le tiens comme numéro un. Quoi quoi que le monde provide, quoi que le monde improvisionne, que, que le, quoi que le monde donne et amène, euh, donne-moi Jésus et prends tout de moi. Seulement Jésus, je veux. Je veux seulement Jésus. Dieu comme numéro un. Jésus-Christ comme numéro un. La, le salut comme numéro un. La sanctification comme numéro un. Le ciel, la gloire comme numéro un qui est au ciel, sinon pas, sinon, qui est au ciel, sinon toi. Il n'y a personne sur terre que je désire à part toi. Numéro 1 maintenant, numéro 1 la conversion. Numéro, numéro 1 la conversion. Numéro 2 la consécration. Numéro 3 maintenant la conservation. Je prie que tous ces sujets là tous ces sujets là seront, seront ta, ta, ta, ta serait permanemment et propre et toi à toi seul conservé premièrement à toi au nom de Jésus. On va se mettre debout maintenant pour parler au Seigneur. Faut pas prier pour une autre chose, ça c'est la chose que nous devons prier pour. C'est la chose numéro un. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, cette sainteté, cette droiture-là, il veut que tu la vois, tu l'aies. Il veut que tu sois sauvé. Si tu es retrogradé, il veut que tu reviennes. Et si par la grâce de Dieu tu es sauvé, il veut que tu, que tu aies cette sainteté sans laquelle personne la personne, sans personnes, personne, le Seigneur, sans homme, sans une femme ne verra le Seigneur. Prie au Seigneur. Prie.